d'ivoire donc peut-être sur amé xëy euh un duel qui va qui va marquer une nouvelle page de l'histoire peut-être qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça oh, une nouvelle page de l'histoire Marceline c'est tout à fait normal parce que on va vers un match à élimination directe donc Sénégal Côte d'Ivoire de finale on se rappelle que euh, la Côte d'Ivoire euh, tay ñewon na fi nga xamanteni ni mom Sénégal en 92 daal fi imposé bu jël sax li nga xamanteni ni mom moy euh, Coupe d'Afrique des Nations et tay Sénégal wara a jongante ak pays organisateur donc on a vu euh, le parcours des Ivoiriens en phase de groupe donc ils ont eu euh, une victoire d'entrée et en deuxième match ils ont une contre-performance, défaite. Et le, troisième match aussi, pire encore, peut-être que Kwasi <laughs> va revenir <laughs> sur, ces défaites-là. Bon, euh, Sénégal euh, di di match Bo ni capital Marceline pourquoi parce que même si tu as si tu as si tu as parvenu à s'imposer euh, en phase de groupe avec trois matchs trois victoires et que adversaire euh, mon mooy pays organisateur donc mon jafé jafé ñëw enjeu bi mi ngi fi ba légui mais nak maintenant équipe nationale du Sénégal li nga xamante ni mo ngi leen di xaar ñom xam nañ ko bu baaxa baaxa baax parce que match la à élimination directe et que ah groupe Aliou Cissé paré nan même si MRC Faye dit que euh, il est il est il est prêt et il est il est, motivé à battre les champions en titre, mais l'avenir nous dira, Yagatoul, c'est dans quelques heures. Oui, effectivement, Suleiman, euh, c'est dans quelques heures, euh, donc euh, le match qui opposera les éléphants de la Côte d'Ivoire contre les champions tenants en titre, l'équipe nationale du Sénégal, les Lions de la Teranga, les, vainqueurs de ce match, Inch'Allah, j'en suis convaincu. Mais c'est pourquoi aussi on a le plaisir euh, d'accueillir un autre confrère ivoirien. C'est nos frères, c'est pas grave. On leur donne ce plaisir aujourd'hui parce que demain, <laughs> ils n'auront plus nos frères. On va les chasser de notre pays et on va coloniser la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Mamadou Bamba qui est sur ce plateau aussi. Lui, il est plus confiant que notre premier invité parce qu'il a porté son maillot. Comment vas-tu, Mamadou Je vais bien, je vais bien. J'espère que vous aussi. Oui, on va très bien, merci. Dieu merci. Je te laisse saluer tes confrères et les téléspectateurs peut-être. D'accord. Euh, déjà, bonjour à tous. Et voilà, j'espère que tout le monde va bien et voilà. Comme vous l'avez dit, les, les, dés sont déjà jetés et on est très confiant du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, comme on le dit, on ne peut pas faire peur à un revenant. Donc, hmm. nous, on, a est des revenants, on n'a pas peur et je pense que la pression du, côté du Sénégal surtout. Donc, euh, on va gagner. On va gagner Ton frère Béranger est tellement confiant de ce que tu dis. Il est en train de faire ça. Il n'était ah, pas confiant ah, tout à l'heure. C'est ce qui prouve que vous n'êtes pas du tout confiant <laughs> et que nous, on va vous battre. Pour vous rappeler tout simplement que vous, tu l'as dit tantôt, on ne peut pas faire peur à un revenant. Cabriment, est-ce qu'il peut mourir encore Vous allez encore mourir une deuxième fois aujourd'hui. Est-ce que vous savez ça Ça, c'est pas possible. On verra bien de toute façon. <laughs> Donc, euh, merci à toi et bienvenue sur ce plateau. Merci, aussi à Suleiman de nous, de nous avoir euh, peut-être euh, fait l'honneur de, nous expliquer peut-être tout ça par rapport à cette revue de titres. Je demande à ton confrère Béranger, peut-être, est-ce qu'il a suivi la conférence de presse de, votre coach hier il, il, a parlé, il, a dit qu'il est conscient de cette équipe nationale du Sénégal et que mais il, sait, il est confiant de son équipe. Il vient d'arriver. Est-ce que cette certitude qu'il annonce, est-ce que c'est sûr qu'il est confiant de cette équipe Est-ce qu'il s'est adapté par rapport à ça en tant que sélectionneur D'accord. Avant de commencer, euh, je n'ai pas vraiment suivi la, conférence, mais j'ai vu des propos sur Twitter. Le prof est d'origine ivoirienne. Vous voyez Et il, est, il a joué avec l'équipe de football ivoirienne je ne me trompe pas. Et c'est vraiment rassurant pour nous, quoi. même s'il est adjoint et même s'il n'a pas été entraîneur d'une grande équipe. Mais je pense que ça ira pour nous. Hein. Il pense Je pense que ça ira pour nous. Et, et penses -tu? Si, je le pense. D'accord. Je pense que ça ira pour nous. Et Faye c'est un grand joueur. Il, il n'est pas dans les histoires. Il est rigoureux. Et tu fais plus confiance à ce sélectionneur que peut-être le précédent qui vient de vous quitter Si, si. Si, si, ça c'est la vérité. Je fais plus confiance à celui qui vient d'arriver que mm. Le précédent. Et si ce n'est pas un peu pour vous rassurer par rapport à, ce match qui va, qui va être très décisif pour, vous Non, pas, pas forcément. Parce que le précédent, il n'avait pas vraiment d'équipe type. Il faisait des choses parce qu'il fallait faire. Voilà, mais celui-là, je pense que ça ira on verra bien donc euh, peut-être ma laaj suñu suñu invité bi El Malik Ndiaye mi nga xamante ne ñu ngi koy commencé tàgg te duggagul sax waxtaanagul rek euh, Tafa Niang mi ngi koy tàgg naan on va se régaler aujourd'hui un très grand monsieur un très connaisseur waaye Tafa doo bàyyi ba wax ba pare ma ne ndax c'est un très grand <laughs> monsieur donc El Malik, peut-être déglu nga conférence de presse su sélectionneur, sélectionneurs yi ak revue de presse bi nga xamante ne ab sa jox nañu ko lan nga xalaat ci euh, suñu suñu sélectionneur déjà a Cissé ses propos ak euh, li nga sélectionneur wax. bon déjà pour commencer ce qui est dommage c'est que Pape est incertain. oui et comme je l'ai dit notre meilleur joueur. je comptais beaucoup sur lui bon on compte plus beaucoup sur lui parce que il a montré à un poste qui n'est pas habituel. Mhm. par exemple on parle de la Côte d'Ivoire qui a un problème avec ses trois militaires. Mhm. Pape aussi il n'a pas l'habitude de jouer à ce poste. d'accord ah, d'accord mën nga làkk la D'accord. <laughs> D'accord. D'accord. jouer poste mhm. mais gis nañ bi ko fa Aliou Cissé tegee alors que Abdou Diallo ak Cheikhou Yalla la fa essayé won Pap Pape Gueye géré na ko bu baax. donc Pap Gueye incertain loolu problème la mais bon gis nañ tamit ak Aliou Cissé que match bu ñu am am nañ benn absent mais bi ñu amee absent ki ñëw géré na Abdoulaye Seck géré na bi ñaxate blessé wee Pape Matar Sarr premier match fekkee wu Lamine Camara géré Iliman Ndiaye même remplaçant yi bu ñu duggee dañuy géré donc loolu du problème Emerse Faye nee na match bi 50 50 la bu bëggee ñu jox ko 70 pour cent na jël parce que day jéem a dalal xelam. Mhm. Euh, kii Béranger mu ngi wax que MS Faye moo le gënal Gassé mais MS Faye ak je pense Guy Demel ñoom ñooy seen coach jox nañ leen fii test contre Niger ils n'ont pas géré n'est-ce pas donc Ivoirien ci boppam wóoluwuñu leen su ñu leen wóolu woon dañoo erreur naar mais nañ leen bàyyi ñu dalal seen xel. leen jox 80 pour de chance. en tout cas Aliou Cissé am na groupe am Faye il connaît son groupe depuis un an et demi Aliou Cissé connaît son groupe depuis 2012 2012 ba léegi moom mën nañ combattre ak koo xam ne un an et demi bu fekkee ne Emerse joueur bu amoon rigueur la mhm. Aliou Cissé ci biir terrain amul ku ko ne gën a nekk gaynde donc bu ñu duggee foofu moom nañ leen jox luñ bëgg mais Sénégal incha allah dañuy jëlaat coupe bi mhm. donc tu es sûr que tu on est confiant est-ce que tey match bi est-ce que ce que ce match d'aujourd'hui Sénégal Côte d'Ivoire est un match où on va s'attendre à à à à une à un impact physique sur le jeu mhm. waaw je pense impact physique bi ma dégloo Emerse Faé loolu laa comprendre parce que dafa ne du jàngal joueur mi football parce que mënu leen jàngal football ci deux jours lu leen mën a lu mu mën def mooy changer seen attitude motiver waat leen parce que maa ngi koy wax mais Kessié Sangaré Fofana ils sont puissants joueur la yoo xam ne tey jii nii physiquement dañoo pare peut-être que seen attitude foofu la le foofu la coach bi di changer te bu ko changer dinañ gis yeneen joueur mais ñun tamit suñu joueur ay xale lañ pare nañ te. ragaluñu pap marar sar mu ngi toj Angleterre Lamine Camara mu ngi toj France Abdou Diallo wala pap gay ku ci jouer pare donc physique wala luñu ñu indi ñun pare nañ pour. donc suma djumul mais match bi euh, dina physique bu baax. suma djumul yow da nga bëgg wax kon. Mhm. su pap gay duggé déjà yow. Mhm. tu es confiant que match bi dañ koy gagner et su pap gay duggé da nga bëgg wax que dañu gagner à 100 200. kon 8-3 yi ab sa gént day am wala 8-0 yow yu. yu El Mactar wax 3 dafa bëri sax. <laughs> c'est trop il a dit que 8 à 3 c'est trop pour vous donc 8-0 tu veux dire. 8 quoi. <laughs> alors peut-être je vais demander à Maman de Bamba est-ce qu'il a peut-être lui suivi euh, les, paroles de son sélectionneur parce que si on ne suit pas ça ça veut dire qu'on n'est pas confiant donc ben, euh, Béranger toi tu n'es pas confiant. Peut-être ton confrère Mamadou Bamba est plus confiant que toi. Il a suivi la conférence de presse de son sélectionnaire et d'une autre aussi, parce que c'est le champion en titre. Il faut l'écouter euh, attentivement. C'est le maître du terrain. Donc euh, peut-être tu as des mots à rajouter par rapport à ça, surtout par rapport à la revue des titres. Ils ont bel et bien dit que c'est un affront de choc en ce moment. Euh, oui, moi je, dirais que c'est un rendez-vous avec l'histoire, encore une fois. c'est vrai, c'est un match qu'on aurait souhaité voir un peu plus loin dans la compétition. Mais bon, là, les dés sont déjà jetés il va falloir aller à la bataille. Donc, pour ce qui concerne notre sélectionneur, moi je dirais que, oui, bien vrai, il, vient de prendre la tête de l'équipe et y a cela quelques jours. Mais bon, après, on ne remet pas en cause en fait euh, son engagement, on ne remet pas en cause l'état d'esprit du groupe et tout. Donc je pense que il pourra faire du bon boulot. Et surtout pour ce match-là, où il sait que c'est un match important. Voilà, parce que la suite de, de son poste en dépendra. Oui. il est intérimaire. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Mais vous pensez que vous, vous prendrez le risque de le limoger encore une fois s'il perd ce match Parce que c'est sûr qu'il va perdre. Hein. Et il y a les gens de la régie qui me disent qu'il n'est pas du tout confiant. Tu n'entends pas comment il parle doucement. Il a très peur en ce moment. À moi que Oui. Est-ce que c'est avéré Oui. Ah ouais Oui. La peur Oui. Non, pas du tout. Donc, si vous voulez, je vais, je vais parler un peu plus fort. Alors, juste pour dire en fait que ce match-là, moi, je suis très confiant, on va, on va battre le Sénégal. Et depuis hier, je suis avec mon maillot de la Côte d'Ivoire. Donc, je me rappelle, partout où je passe, on me dit demain, on va vous battre 8-2, 8-2. Et je vais, ils n'ont que ce 8-là à la bouche. Hein. Mais bon, comme on le dit, vous allez lire Moi, j'ai mis quelque chose sur mon statut. Le les Sénégalais étaient en train de battre l'Ivoirien à huit coups. Donc apparemment, les 8 reviennent. Ah, heureusement que c'était sur votre statut, mais on verra, <laughs> on verra ce soir. ça, <laughs> elle a rêvé de ça. Les internautes sont en train d'écrire 8. Apparemment, le 8 va tenir le coup parce qu'on vous a dit aussi qu'on va vous battre 8 à 2. D'accord, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'il y a joué au Barça, bon, ça c'est tout un autre débat. Peut-être on reviendra dessus. Mais pour ce match-là, moi je, pars plutôt sur un match très serré. Mm. Voilà, ça sera très serré. Et il faut être réaliste en fait. Voilà. Aujourd'hui, sur le papier, le Sénégal pas favori. Ça, on, est, on en est conscient. Et je pense que le sélectionneur et les joueurs qui sont des spécialistes de foot bien plus que nous-mêmes, ils savent. Et moi, je pars plutôt plus un score de 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Voilà, ça sera vraiment serré. Ça ne sera pas un match. Je dirais même que ça sera le match le plus compliqué de la compétition pour le Sénégal. Ça, c'est sûr. pour le Sénégal. Oui. <laughs> Mais bon, à un moment donné, vous, vous avez pensé à faire revenir euh, Hervé Renard. D'accord. Est-ce que cela veut dire que vous, vous avez entièrement confiance à Temer Faye D'accord. Euh, sur ce point-là, déjà, je dirais qu'il y a peut-être une incompréhension. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas encore eu de communiqué officiel expliquant un peu le contexte un peu. Mais pour moi, je me dis que bien avant la nomination en fait de Faye MS en tant que coach euh, pour assurer l'intérim, je pense que la fédération avait déjà émis l'idée en fait de faire venir d'urgence, euh, comment il s'appelle, Hervé Renard. Mais Hervé Renard était sous contrat oui, mais bon, après, s'ils ont, ils ont annoncé en fait cette euh, comment ce choix-là, c'est que peut-être quelque part, il y avait, il y avait une faisabilité. Quoi. Donc après, la Fédération française de football, c'est pas une fédération de quartier aussi. Donc mm. après, si ils ont eu le courage de le faire, c'est que c'était possible. Maintenant, après, il faut voir, est-ce que cela va pas, euh, je dirais, déranger un peu en quelque sorte faillir mais, mais après, tout dépend de comment est-ce que la démarche a été menée. Si préalablement, ils le savaient, je pense qu'il n'y a, a, aucun souci. Par contre, s'ils ne le savaient pas et que il a été nommé, on, lui a fait comprendre que désormais tu es le coach et après il apprend que on recherche quelqu'un, c'est quand même un peu pas logique quoi. Mais bon, je pense que pour ce match, on reste focus sur le match et le reste c'est de, de l'extra sportif en fait. Bon, je euh, dirais pas de l'extra sportif parce que euh, voilà, parce qu'on est dans une compétition, une très grande compétition, je dirais la plus grande de, l'Afrique. Donc, euh, si il y a des détails comme ça, je pense qu'il faut, il faudrait aller prendre avec des pincettes pour voir euh, s'il si, a pas peut-être une frustration au niveau de, la fédération ou bien au niveau de l'équipe nationale, parce que ce n'est pas que le sélectionneur qui fait un grand boulot, parce que une équipe, il, est, il, est, entouré de beaucoup de membres, donc c'est pas que le sélectionneur, il y a les sélectionneurs adjoints, il y a également beaucoup de membres du staff. Est-ce que aussi c'est pas frustrant de, de, penser même à peut-être Hervé Renard au lieu de penser à peut-être aux staff qui sont beaucoup plus près ou bien aux anciens joueurs ou je sais pas, ou bien même à, Drogba euh, D'accord, je vois. Bon, Drogba c'est tout un autre registre en fait. Voilà, Drogba il, n'a jamais émis même l'idée de, devenir entraîneur, n'a jamais émis l'idée d'être sélectionneur et tout. Donc, Drogba, son projet, en fait, c'est de prendre la tête de la fédération. Et ça, on, le sait depuis longtemps. Du coup, Drogba, c'est une possibilité à, écarter. En ce qui concerne les autres joueurs, on a des anciens joueurs qui aujourd'hui sont des entraîneurs, bien qu'ils ne sont pas encore des grands entraîneurs et tout, mais ils sont déjà sur la bonne voie. Et je me dis, à l'image du Sénégal, c'est une équipe, qui se construit en fait. Voilà, ça se construit. Et aujourd'hui, à l'IOCC, je ne sais pas exactement, mais ça fera, disons, près de 7-8 ans en fait qu'il est, je mhm. pense qu'il est avec les jeunes et qu'il les accompagne. Donc c'est aujourd'hui le défi en fait auquel la Côte d'Ivoire est, fait face. Donc je pense que les dirigeants sauront prendre la bonne décision et avec le temps, nous, nous redonner une équipe, une génération dorée encore qui, à l'époque, faisait très peu au Sénégal. <laughs> on n'a jamais eu peur. Hein. On a eu toujours des grandes légendes dans notre équipe nationale. Après euh, l'époque de Jules-François Bocandé, on a eu l'époque de LH ou Henri Camara. Henri Camara, je t'ai toujours pas encore vu, donc c'était juste une petite parenthèse pour toi. Pape Bouba on a eu également cette, cette époque de Sadio Mane, Pape Gay, euh, Idrissa Khalidou Koulibaly. Donc on a toujours eu de très grands joueurs, même si on n'a jamais eu la chance d'avoir la coupe. Maintenant qu'on l'a, on la laisse plus partir. Elle est chez nous. <laughs> Donc euh, pour poursuivre, la Côte d'Ivoire face au Sénégal, les Lions devront sortir le grand jeu. Tout se joue aujourd'hui. Donc nous, euh, même que les éléphants aussi, ils devront sortir le grand jeu Béranja. Déjà, euh, Mamadou, euh, El Malik, El Malik, peut-être les lions devront sortir le grand jeu, mais est-ce que ce n'est pas des deux côtés que le grand jeu doit sortir Peut-être eux, ils disent tout le temps qu'ils n'ont pas peur, qu'ils sont déjà morts, ils ont déjà connu la honte. Mais est-ce que aussi, c'est avéré, parce que wax est-ce que du tamit euh, nax sa tiitaange rek mais teewul euh, ñoom ñëpp xam nañ ni que c'est le tenant du titre qui qui vont affronter ce soir. si parce que M. Faye ci loolu lay jéem a bi muy wax 50-50 la match bi parce que pression bi Côte les lañ ils sont chez eux à chaque ballon le public va soit dinañ leen yuuxu soit dinañ leen nu mu parce que public bi instant bi dañ leen di xaar Ahmed <laughs> Faye ji boo xam ne dañ koy xaar en tant que joueur.